Je dirais que c'est alarmant, d'autant plus que même un seul cas de fistule constitue un handicap. Deuxièmement, euh, le chiffre n'est que des chiffres des femmes qui passent dans le centre. Il y en a qui viennent parfois et qui, tellement pressées, elles repartent en brousse parce qu'elles veulent qu'on les opère aussitôt. Et nous, nous avons environ 200 hein, par an. Et il y en a qui échappent. Les parents pensent que c'est un mauvais sort qu'on leur a lancé ou bien c'est des génies